Chers auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalango, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalango. À la présentation, c'est le duo Samira Rafi et Mariam Adé pour vous servir. La technique d'aujourd'hui est assurée par Seni Isaka et l'édition est assurée par Rahila Soumana. Bonjour Mariam. Bonjour Samira. Alors, euh, quel est le programme du jour Comme d'habitude, nous ouvrons cette édition avec le flash d'information. S'en suivra la rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat continue dans la partie entretien du jour avec M. Amin Ibrahim, plus connu sous le nom de Jérôme Tout Moins Cher. Beaucoup de mamans le connaissent, c'est un jeune entrepreneur spécialisé dans la vente en ligne d'articles de bébés. Il y aura les lotis et la page sport avec notre chroniqueur sportif, puis la culture linguistique. De la rubrique Éco de région, nous irons à Zender à la rencontre d'autres entrepreneurs en ligne. Sans oublier nos rubriques spéciales Ramadan, il s'agit de conseils sur le comportement d'hygiénaire avec un prédicateur et un institutionniste. Chers auditeurs, évidemment, avant de nous dire au revoir, nous allons écouter les messages vocaux que, nous que vous nous avez envoyés. On est paré pour 60 minutes d'antenne. Tout de suite, à les flashs d'informations avec Rukwet Abdraman. Bonjour, qui Bonjour, Mariam. Bonjour, Samira. Bonjour. Quelles sont les nouvelles à partir d'aujourd'hui, un deuil de trois jours est décrété sur le territoire national. Cela fait suite à la mort d'une vingtaine de soldats dans une attaque terroriste. En effet, le mercredi 20 mars 2024, leur position aux alentours de tegué dans le département de Bankilare, région de Tilaberi, a été la cible d'un groupe armé non étatique. Il y a eu également des blessés et des dizaines de terroristes neutralisés à la riposte et du matériel militaire militaires récupérés lors de l'opération de ratissage. Ensuite, les autorités nigériennes de transition ont annoncé la réouverture à partir d'aujourd'hui des frontières terrestres avec le Nigeria, une décision qui va permettre la reprise officielle des échanges entre les deux pays. Pour rappel, les frontières sont restées fermées depuis le 30 juillet dernier, au lendemain du coup d'État du CNSP. La semaine dernière, le Nigeria avait annoncé la réouverture de ses frontières avec le Niger dans le sillage de la levée des sanctions de la CDAO. Enfin, hier jeudi 21 mars 2024, une délégation du Fonds mondial a été reçue par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. À l'issue de cette euh, audience, le directeur régional du Fonds mondial, Dr Ibrahim Faria, a indiqué que l'institution engage des ressources d'environ 171 millions d'euros pour appuyer la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est tout pour ce flash d'aujourd'hui. Merci bien, Rukaya. Passez une belle journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, l'invité du jour est Amine Ibrahim du Jérôme Tout Moins Cher, un entrepreneur en ligne spécialisé dans la vente d'articles de bébés. Cette aventure pour lui a commencé à partir d'un besoin personnel de payer des produits qu'il voyait ailleurs, mais par accessibilité, mais pas accessible plutôt dans son pays. Dans cette première partie, il nous parle de la simplicité des commandes en ligne et ses avantages. On l'écoute. Comment cette aventure de vente en ligne a-t-elle commencé pour vous L'aventure en ligne a commencé parce que bon, l'Internet, ça m'a toujours intéressé. Euh, depuis des débuts, de l'Internet, donc j'ai toujours perdu beaucoup de temps sur l'Internet. Donc ça a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses que je voulais acheter, qui sont pas à côté, qui sont loin, tout ça. Voilà, donc ça fait partie des, rêves. Quoi. Pourquoi en ligne et comment ça marche J'ai commencé en ligne parce que j'ai compris que la ligne, euh, ça permet d'atteindre beaucoup de gens, ceux qui sont à côté et ceux qui sont loin. Oh, ça permet beaucoup d'atteindre n'importe qui. Le gars, il peut rentrer dans ta boutique sans bouger de son lit. Voilà un peu. Oh, sans faire le moindre geste. Il peut commander sans pour autant bouger aussi être satisfait. Quels sont les produits les plus populaires de votre boutique en ligne Bon, en gros, les articles les plus populaires, euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup parce que c'est des trucs de bébé, je vends. Donc, euh, quand on dit les articles de bébé, donc tout peut être intéressant, tout dépend du client. Quelles sont vos options de livraison vu que tout se fait en ligne Les options de livraison, on vous présente l'article ah, et on essaie chaque fois de présenter ce qu'on a de disponible. Maintenant, la livraison euh, peut permettre aux clients euh, la facilité. Donc, on dit 500 francs de livraison. Donc, euh, quel qu'en soit le coût de la vie du, du client, il ne va pas trouver ça beaucoup. Comment assurez-vous la sécurité des achats effectués sur votre page Facebook et votre compte WhatsApp euh, Bon, les achats effectués sur Facebook ou bien par WhatsApp, c'est que euh, là actuellement on a une boutique physique. Donc si vous commandez, au cas échéant, vous pouvez venir à la boutique euh, pour plus de confirmation ou bien en cas de défaut, vous ramenez à la boutique, on va vous changer. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas venir acheter à la boutique, qui préfèrent être livrés. Quels sont les moyens de contact disponibles si un client a des questions ou des problèmes avec sa commande les moyens de contact, c'est qu'il y a le téléphone ou bien la personne euh, vient à la boutique pour un souci majeur de défaut de fabrication, voilà quoi. Comment garantissez-vous la qualité des produits vendus Bon, pour la qualité des produits, vraiment de notre part, j'essaie moi-même personnellement de commander ce qui me plaît moi-même. Voilà, pour ce qui est de qualité. Ou bien ce que moi-même je vais porter à mon enfant. Oui, oui c'est ça qui fait que vraiment nos articles sont de bonne qualité. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut entreprendre en ligne euh, Bon, souvent, quand c'est plus en ligne uniquement, et les difficultés qu'on rencontre, il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui a confiance à ça. Donc, euh, il y a des gens qui doutent. Quand pas, il n'y a pas le il n'y a pas le boutique physique, quoi. Euh, au début, vraiment, c'est ce qui nous rendait un peu, ce qui nous donnait des difficultés. Voilà. Donc, c'est, c'est le, fait qu'il n'y a pas la boutique. Parce que d'autres, ils préfèrent voir. Ils préfèrent voir avant de payer. Ils préfèrent toucher. Oh, ils préfèrent toucher. Donc c'est un truc comme ça. Il y a d'autres clients qui ne sont pas en Yamé qui veulent envoyer leur famille pour qu'ils leur payent. Vu, la, vu le manque de la boutique physique, ça fait que ça, hésite, quoi. Un truc comme ça. Euh, il y a beaucoup, vraiment, ils préfèrent venir toucher de même palper voilà, avant de prendre. Donc c'est un peu ça. Comment évaluez-vous la satisfaction de vos clients et quels sont les retours que vous avez reçus récemment Bon, les clients sont vraiment satisfaits. Les clients sont vraiment satisfaits. vous savez, dans la vie, souvent, on ne peut pas aussi satisfaire tout le monde. Et souvent, en cas de livraison, il y a, des clients qui sont précis. tu vas voir, le livre est parti, pour trois destinations. Donc toi, tu as commandé tout de suite et tu veux qu'on livre tout de suite. Donc le livre, là, il faut qu'il satisfait les trois premiers d'abord avant d'aller à ton niveau. Tu vois, euh, donc peut-être vu, que tu peux être loin aussi ou bien... Euh, donc c'est ça qui fait que d'autres s'emportent facilement parce que les livreurs prennent un peu de temps. Souvent aussi il y a la fatigue. Voilà. Avant d'entamer la deuxième partie, écoutons le conseil du prédicateur pour le jeunes. Aujourd'hui, on parle des kirdans. Curer ses dents est une bonne pratique pour la santé, mais aussi une pratique très bénéfique pour le jeûneur. Selon les prédicateurs, cela purifie la prière et la lecture du Saint-Courant. On écoute Oustaz Haladou Yaya, au téléphone par Hawa Ousmane. Le cure ou soie, c'est le bâton qu'on utilise pour curer ses dents. C'est une pratique euh, très importante à l'islam parce que l'hygiène et la propriété occupent une place très importante. C'est une pratique que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé d'ailleurs à Aïcha que fait le prophète dès qu'il rentre chez lui. Elle a répondu que la première des choses à laquelle elle s'attelle, c'est l'usage du swak. Surtout pour un homme, ça sert à améliorer la Ça consolide certains actes culturels comme la prière, comme la lecture du Coran, l'usage du Qur'an. C'est très important. Et toute bonne œuvre accomplie a des récompenses auprès de Allah subhanahu wa c'était là le conseil Ramadan avec euh, Oustaz Haladou Yahya, joint au téléphone par Hawa Ousmane. Passons à présent à la seconde partie de notre entretien. Pour Jérôme, concilier la vente en ligne et la boutique est le meilleur choix pour développer son entreprise car les deux vont de pair. Ici, il nous en dit plus, on l'écoute. Nous avons récemment vécu des perturbations d'Internet léger. Est-ce que cela a affecté votre commerce en ligne Oui, bon, les perturbations de l'Internet, c'est le souci majeur de la vente en ligne. C'est que tu peux te retrouver avec zéro client euh, par jour. Vraiment, si c'est uniquement en ligne, c'est très difficile. Quand il y a problème d'Internet, il y a problème d'Internet, tu ne peux pas accéder à Facebook, WhatsApp, ah, c'est des gros soucis, c'est des gros soucis vraiment. Vous avez à présent une boutique. Quel impact elle a sur votre activité de base du commerce en ligne Maintenant que la boutique physique est en place, ça a diminué le, nombre de livraisons chez nous, mais euh, ça a permis aussi aux clients d'être vraiment plus confortables d'autres. parce que souvent, quand il y a des grosses commandes, de, par exemple, les de, beaucoup d'articles. Le client, il vient, il s'assoit, il trie, il choisit tout ce qu'il veut et il va payer. Voilà. Euh, donc beaucoup maintenant préfèrent venir que de payer, surtout les gens qui sont pas loin de la boutique, tout ça. Euh, mais euh, d'un autre côté, ça continue encore, ça continue à ligne, ça continue à ligne parce que il y a beaucoup, ils préfèrent commander et qu'on leur amène un, un, un article de de, bas prix, tu préfères ne pas bouger quand t'amènes ça et tu libères le, libère. Est-ce que c'est plus bénéfique euh, de vendre en ligne ou en boutique En boutique, je dirais c'est plus bénéfique. Mais les deux vont, vont ensemble parce que tu fais connaître ta boutique à travers la ligne. Beaucoup qui achètent en ligne chez toi vont venir à la boutique grâce à la ligne. Et tu vas encore faire venir d'autres qui te verront en ligne et qui seront en même temps qu'à une boutique. Voilà, donc la ligne est primordiale. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients euh, Les avantages, ça permet de se faire connaître, ah se faire connaître à travers le monde entier. Aujourd'hui, du jour au lendemain, l'Internet, c'est vraiment quelque chose qui, qui traverse les frontières. a les inconvénients aussi peuvent être liés aux souci d'Internet. Quand l'Internet a des soucis, quand tu vas en ligne, c'est vraiment un calvaire. c'est un calvaire, un trop gros calvaire même. Il y a aussi les arnaques. Les arnaques, quand par exemple, il y a, trop d'arnaqueurs dans un milieu, les ventes en ligne, c'est toujours dans des difficultés parce que avant de convaincre quelqu'un, il faut vraiment insister, insister. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui veulent entreprendre en ligne Les conseils vraiment qu'on peut apporter ici, c'est tout, ceux qui, celui qui fait vente en ligne, vraiment, c'est d'être véridique. Oui, de présenter ce qu'on a de disponible. Bon, souvent, ça arrive qu'il y ait injuste des défauts de couleur, voilà, tout ça. Il y a des clients qui n'acceptent pas ça, ils veulent textuellement. Il y a des clients qui acceptent. Maintenant, d'autres qui acceptent, il, il faut qu'ils vous fassent comprendre que vraiment, voilà, c'est pas il faut être courtois, oh oui. même si les clients euh, cherchent à vous faire comprendre que bon, vraiment, il n'a pas aimé tout ça, ou bien voilà, essayez d'être courtois. Courtois, c'est la merde la courtoisie envers le client. Pour finir, avez-vous une histoire à nous raconter qui vous a particulièrement touché depuis que vous avez commencé le commerce en ligne Jusque-là, c'est les clientes qui perdent leur bébé. Oui, c'est les clientes qui perdent leur bébé après l'achat de tant d'articles, c'est Dieu qui fait, oui, c'est Dieu qui fait les choses. Après, quand la cliente te dit, le bébé pour qui je fais l'achat, pour qui je fais l'achat de, des habits là, des berceaux et consorts là, et arriver mon un truc comme ça, c'est ça qui fait, ça fait, ça touche, ça touche très fort, ah euh, vraiment parce que tu ne feras que donner les mots de consolation à la personne. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique entretien du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre la revue de presse avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. On retient dans l'actualité de la semaine cette sortie du journal Le Nouveau Républicain qui titre Dehors la France, dehors les États-Unis d'Amérique au suivant. C'était dans la parution du 21 mars 2024. En effet, Samira, le CNSP a dénoncé le samedi 16 mars 2024 les accords de défense entre les États-Unis et le Niger scellés depuis 2012 sur la base d'une simple note verbale. Ainsi, après les forces françaises, ce sont les forces américaines qui se voient notifier le terme diplomatique. Le Niger leur demande en termes clairs de quitter le sol nigérien dans les brefs délais. Cette dénonciation saluée un peu partout dans le monde est considérée comme une délivrance, lève un nouveau coin de voile sur la gestion désastreuse de l'État au cours des 12 dernières années par le régime déchu. Un coup très dur pour les États-Unis qui ne s'y attendaient pas du tout. Le courriel aussi dans son édition hier affirme que dès lors, l'on se demandait comment faire face à ces États-Unis collaboratifs quand au même moment ils restent l'ami de la France. Certains avisaient depuis des mois prévenant que si la France part et que les États-Unis restent, alors la France n'est pas pour autant partie. Entrepreneurie des riches, les vendeurs agréés et flambés des prix au marché, écrit l'enquêteur dans sa parution de ce matin. Paradoxe saisissant, on trouve présentement les produits de la société riz du Niger en vente chez certains commerçants dans les marchés, mais au niveau des kiosques de vente agréés, 10, disséminée de la capitale, c'est la rupture. Par le, moindre, sac de riz de 50 ou 25 kilos dans tous les points de vente parcourus et dont certains ont fermé leurs portes du fait de la rupture d'approvisionnement persistante. Les gérants de dépôts et consommateurs négligés pensent que la société a décidé de privilégier les commandes des commerçants pour avoir la liquidité lui permettant de sillonner les marchés du pays et acheter des stocks de riz paddy qui sont traités et conditionnés à l'usine avant d'être mise en vente. En sport, euh, le football féminin, une discipline qui peine à remonter la pente, à titre le Sahel dimanche, parution de ce 22 mars 2024. Effectivement, en football, il n'y a pas d'excuse car le ballon est rond pour tout le monde. C'est pourquoi la double défaite du MENA version féminine a suscité la colère et l'indignation auprès des amateurs de football au Niger. Cette attitude n'a rien d'étonnant quand on sait que depuis l'avènement du football féminin au Niger, l'équipe a à chaque sortie enregistré des échecs d'après le journal. Pour rappel, la dernière sortie de cette équipe pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 Zone Afrique où le Niger a encaissé 22 buts en match aller et retour reste au centre de l'actualité sportive. C'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Merci beaucoup Rafika, passe une très belle journée. Et maintenant, chers auditeurs, suivez le mot du nutritionniste sur la consommation des jus à la rupture de jeûne. Eh oui, les génères ont tendance à boire à beaucoup de jus, mais les spécialistes conseillent de contrôler ce que l'on consomme lors de la rupture. C'est là pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le nutritionniste Abdulrazak Bello explique au micro de Hassan Nourou Abdurrahman. Au moment de la rupture, les boissons sucrées, oui, mais à faible dose, 2 à 3 verres, c'est largement suffisant. Maintenant, par rapport aux boissons sucrées, je dirais qu'il faudrait, un, attirer l'attention des productrices de, jus, notamment euh, lié au fait qu'on a une surutilisation de sucre pendant le, dans la fabrication des jus pendant le mois de Ramadan. Et deuxième chose, je dirais qu'il est important pour le jeûneur de privilégier les boissons naturelles plutôt que les boissons industrielles qui ne sont qu'une association de composés artificiels des additifs alimentaires, notamment les arômes, les colorants. Donc privilégier euh, les boissons naturelles au lieu des boissons euh, industrielles artificielles. Et lorsque on a consommé sa date, on a pris euh, ces boissons et également dans l'ordre, on consommera également les, fruits et les légumes comme le moringa, comme le gourgi, comme tant d'autres aliments qui sont disponibles pour permettre également euh, de nous apporter de la vitamine A, la vitamine C, des sels minéraux, mais également de l'apporter de l'eau et des fibres alimentaires. Et lorsque on a fait ceci, naturellement, après, on peut aller vers le plat familial qui est généralement le plat solide parce qu'il faut permettre à l'organisme à ce qu'il puisse euh, redémarrer en, douceur. Et c'est pour ça que nous avons préconisé la consommation de la date, ensuite les boissons, puis les fruits et légumes, et ensuite les autres aliments. On prend une pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire, la rubrique entrepreneuriat. Au Niger, avec l'avènement des réseaux sociaux, le e-commerce tend à devenir un nouveau pôle de commerce de croissance, beaucoup de jeunes et des femmes s'y intéressent, constat avec notre correspondante Azender Azar Boukar. Azender, elles sont désormais nombreuses à faire l'incursion dans le commerce en ligne. La proximité de la région avec le Nigeria voisin leur offre plusieurs avantages et opportunités selon ces femmes entrepreneurs en ligne. Elles expliquent comment ça marche. D'abord, le commerce en ligne se passe à travers des publications en ligne à travers des statuts ou bien sur le Facebook même, en mettant les produits, voici les prix. Si la personne est intéressée, il peut nous contacter à lui. Gaskiya alhamdulillah wajen ta yadda kasuwancin mu a yanar gizo yanzu ban mu da burin si ko daga ɗakin ka kana iya kai kasuwar ka zaka iya ɗaukan fiye da wata biyu ma wanda daga wurin da kake ma baka gusa ba sannan kuma a koda yaushe kuɗin ka suna karuwa kamar a Najeriya wannan ina zuwa ɗaukan kaya in na saba da mutum ban taɓa ba ma wani ganin shi zai ce mini yana da abu kala kaza irin wanda ni nake saida yanzu ni ma a Niger yanzu aka ɗauki in akwai wani mai Alabama milk a gadez yake bai taba gani na ba ban taba ganin shi ba zai iya turo mini jikka ɗari biyar cikin account ina na Niger mai al'izza ni kuma in je in maida shi cikin kwant ina na nigeria in siya mishi kaya daga nigeria allin kuma in tura mishi a gadez for example na bude kwant ina bisa tiktok nake dan dora kayayyaki na kenan shi kasuwar yana gizo ba wani abun ba he kana da shi ba ma wani shi ma he turo miki kuɗi in kin ce da ne kayan yana gauga yana waye sai in ce to ɗaukan dokan kudin ka kai ma kenan sai na kolin ka ya zo na je maka anbuwa sai in yi retire kai ma aika maka kayan ka tantôt victimes des faux profils ou encore du harcèlement sur la toile, les e-commerçantes font face au quotidien a ces risques. Suivez leurs témoignages. Wani sai ki gani yana so ya kayan ma a wajen ki saboda a rozo sosiyo ne ya ganki. Yana tsoro ya tura kudin shi su makale ko wani abu saboda kin ga gaskiya da amana sun yi karamci yanzu. Akwai wanda a rozo sosiyo yanzu su iya ɗaukar lambar taka ki ga ba kayan ba ma zai saya. wani ki ga shiriri ta ce wani kuma dan ya bata miki lokaci ne ya riga janki da zance ko wani abu duka ana samun irin wa'annan yawanci duk ana mana kallon karuwai ne wani kuma daga ya shiga maimakon kai ka tallata wani abu wanda za a siya naka sai ya maka message daban ta messenger sai ka ce ma mutum wai to turo mun lambaki ina so mu haɗu ko kuma kina ina ne yanzu kana daga niyame mutum zai iya miki message ya ce miki ina niyame zaki iya zauwa wuri na De ce fait, certains consommateurs nigériens sont encore réticents à l'achat en ligne pour diverses raisons, tandis que d'autres ne peuvent plus s'en passer malgré les risques. C'était la rubrique entrepreneuriat réalisée par Zara Boukar depuis Zender. Eh bien, on y reste. À Zender, environ 50 femmes en situation d'handicap avaient bénéficié l'année dernière d'un appui financier du CICR pour entreprendre des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont réussi dans leur métier. Reportage de notre correspondant depuis Zender, Aliketa. Le programme de cette organisation internationale, à Zender, a aidé beaucoup de femmes en situation de handicap à être financièrement indépendantes. Écoutons Munkele Danfiroun, conseiller en inclusion des personnes vivant avec un handicap au département programme et réadaptation physique du CICR Niger. L'année 2023, nous avons décidé de également prendre en compte les femmes handicapées physiques pour leur autonomisation. Voilà pourquoi nous avons appuyé 46 personnes handicapées physiques dans cette région et à l'occasion de la journée internationale de la femme, nous avons fait un suivi qui nous a montré que ces femmes-là sont capables d'apporter leur contribution dans le cadre du développement socio-économique de la région de Zander. Nous avons eu beaucoup de cas de succès à travers ce tapis financier qu'elles ont eu pour développer leur activité génératrice de revenus. À leur offrant des opportunités de travail et de formation, les bénéficiaires se sont réintégrés dans leur communauté. Quelques-unes témoignent leur réussite. a cikin samu a ce ina komar su banda na kiwon ina kaka haka daga wurare ina sai da ma mutane kun tallafin mu na sai sai yanzu ya kai shekara uku kan su tallafa mu ina yin kisu tebur din ne da suka buɗe mana yan kurwaru a ciki kuma da ikon Allah kuɗa na kisa na bude wannan kamiya ina sana'a dimkin dira ina tricotage kayan dari ina dimkin mashi bayo bana hara tunda ni na ji tun ina so eh, tunda a gidan mu sana'ar miji ina yi da wanda ya tallafa suka ba mu jari sai na ces femmes en situation de handicap à leur tour elles pourront sortir d'autres femmes de la mendicité Selon le conseiller du CICR, ils sont plus que satisfaits au vu du résultat constaté. Notre objectif, c'est de voir ces femmes-là aujourd'hui, à travers ces activités génératrices de revenus, qu'elles deviennent également employeurs pour les autres femmes handicapées c'est-à-dire qu'elle arrive à les former dans leur métier, à leur donner de l'emploi pour qu'elles abandonnent définitivement la mendicité et qu'elles croient à leur capacité de se prendre en charge et de contribuer également au développement socio-économique de la région. À Zender, le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR, en collaboration avec l'Association régionale des personnes en situation de handicap, accompagne ces personnes en vue de leur réinsertion sociale de Zender, Ali Keta pour le studio Kalangu. Merci Aliketa pour ce reportage. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web à www.studiokalangu.org. Samira l'ère du sport avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Eh, bonjour euh, Myriam, bonjour Samira. Bonjour, euh, c'est aujourd'hui que le MENA national du Niger va jouer son premier match au Maroc pour les journées FIFA. Euh, oui, les poulains de Badou Zaki seront face aux Togolais aujourd'hui au stade El Mohamedia euh, face aux éperviers du Togo. Un match déterminant qui va euh, permettre au staff technique de notre équipe nationale de football de se situer un peu sur ses joueurs avant les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'état d'esprit des joueurs est bon, selon le capitaine du MENA national, Issoufou Maru Dibali. Écoutons-le. Comme je l'ai dit, il faut commencer comme si on jouait une compétition. Le coach l'a dit, il n'y a pas de match euh, amical pour euh, une équipe nationale parce que tu es toujours en test. C'est toujours une évaluation. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui arrivent. Euh, pour nous les anciens, pour les jeunes aussi, ils veulent s'imposer. Nous aussi, on veut aussi garder notre place, euh, jouer une compétition parce que c'est ça qui fait aussi d'un joueur euh, international qui lui donne la, renommée. Donc l'état d'esprit est bien. C'est un groupe vraiment qui vit très très bien. Il y a l'ambiance, on s'amuse. Donc Inch'Allah, il faut se donner de l'argent à nous-mêmes et à nos familles et à toute la population. Voilà, c'était là le capitaine du Menaï Soufou Oumarou, dit Bali, notons que euh, le deuxième match de la journée FIFA va se jouer le 26 mars 2024 au stade Bereshid face aux Italons du Burkina Faso. Gourouza, les 13e africains battent l'air plein à Accra au Ghana. Les athlètes redoublent d'efforts pour se hisser à la première marche du podium. Oui, Myriam, euh, euh, nous allons faire un petit euh, bilan à mi-parcours de cette compétition à laquelle le Niger participe. C'est l'Égypte qui a pris la tête avec des performances dans plusieurs disciplines. Les pharaons ont remporté actuellement plus de 150 médailles, suivies du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Le Ghana, pays hôte de l'événement, a gagné une trentaine de médailles pour l'instant. À la date du 20, euh, du 20 mars 2024, le Niger a gagné quatre médailles d'or, une médaille en argent et une en bronze. Et cette prouesse euh, a eu lieu grâce au sport de combat, le judo, le taekwondo, bref. Il faut souligner qu'en athlétisme, Samira Awali est classée huitième lors de la finale des 400 mètres. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Alors, euh, sur qui braquons-nous nos projecteurs ce matin, Mariam Samira, elle s'appelle Fatah Damoudita Fatih Salam Alaikum, une femme de quarantaine et une mère de famille. Elle s'est mise au griotisme après le décès de son époux pour mener sa vie. Habituellement, ce métier est un héritage, mais selon Fatih, c'est la pauvreté qui l'a poussé à le faire. Oumou Morou s'est entretenue avec elle. yi nin ganda so man tafu son borai ka man tiga sare anga ino go fura wato bin de da man tiga sane ste ga sare amma son wo aini ko sabu zam ga satara wora ai wo bene bene bonno ai la. kai furji bene bene bonmo wallahi murado kutti zam satar hanne kai ga bai wallahi kunni ya taisi hazi hanne kai ga bai kai kunni ya taisi matanu nina gasartara wo sintinda ayo mataka ai sintinda kati aikoy batu dono jasar kursino inay sai maka ka sabu hande hanme deino ai sintin sabi hande hanne sintin ga sabi ta binda za hande ka so wallahi man ne mata na yati wallahi ne koi saba ai ga warai sa tarai kan go nya mai da labu wa ne ra ir koi dai mi no alomar ga sartrawo na tubuno ai mana tubu fa Siyasa dai ne ko ga te abinda wallahi duwara ir koi mar barka dan ai wa mata kan ai te batu do dai ne go ina sai man sabu ko borfo ne sai tuga tai abinda kai ga te hande na idu zambar ta ci ai an ga dai no ya wallahi har ka sara ranai go gonwa a ranai ga wa ranai ga ai wa kai sai furara jangayno gayga hay sinda dayno la jangay dayno gayga a senay furo so ay wadai ganda do dum wallay ga o zamger satare wasu duni wallahi wo jangai kai dan ara ai sinda daino ai wo ai tede danga gini hinzi ta kan tara nai ko kai gogati ai wundu ko abu ai ya buyan banda na ai furara ai ya buyan banda na ai furara ai ganda danga iza hakku nai hai iza wanda ke wo daino nai dangara ni bai gadu sandai din almiyalai ga sartarawa bun kan ni gate wallahi famiyo yar mu fo wato da ga ino kaka ma sai anai wodin kai gote sai wallahi inga sai no ai mo ne wallahi ai sinda ai sai mata kai gate gogo to satara na igogayno irkoy mar barka i kurga irkoy dami no alomar ku walla do ara zama ga haurai ga churgus ai ga bankare fayan ka fono gono wato ga sirtara da sunwo wanda gamara no yan ay do hari wallahi wato no yan gono amma so kar suru musu musa dai ni gogo to amma wato bore ga pakar sama nyai sa ya fo ba fo zai ga pakar o bor fo isba nya fo ba fo zama wato din wallahi ga ne ga di bora ko har kwara fo wallahi ga ko ga kar zura amma so zuri yan C'était le portrait du jour réalisé par Omo Omoro avant de découvrir le loti, faisons une courte pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Samira, c'est le pour nous découvrir le loti. La discussion de ce matin des femmes du studio Kalangu tourne autour des soins corporels. Pour plus de détails, on vous laisse prendre les conseils tout en humour. Hey wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tun da kana shiga mutane kana tahiya sabga jikinka yana wani iska mara daɗi hmm. abun kuma yamma kana da hormon gida na gudunka <laughs> yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahi da mara har da yamma ai wankan wannan kaɗai ba ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsaman ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga kite ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm, babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin ki lalle gora ce mini sai kuri a'a kawali, na ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwanki c'était là le loti des femmes du studio Kalangu. Samira continue de prendre soin de nous avec euh, la rubrique rose. Et eh oui, mais cette fois-ci, nous allons prendre soin de ce que nous mangeons, car, euh, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, nos chroniqueuses nous apprennent à faire du pancake, ce gâteau fait à la poêle, et en bonus, on va apprendre à se démaquiller. On vous laisse apprécier. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amis de la rubrique rose du studio Kalangu. La première recette d'aujourd'hui est la crêpe bretonne. Cette couche fine de pâte, de forme ronde, tellement savoureuse et facile à préparer. Pour une quinzaine de crêpes, vous aurez besoin de 100 g de beurre, 1 litre de lait entier, 400 g de farine fluide ou bien tamisée, 50 g de sucre, une pincée de sel, 6 œufs, deux cuillères à soupe d'extrait de vanille ou aromatique vanille, comme on dit ici. D'abord, faire fondre le beurre et tiédir le lait dans une casserole. Dans un saladier, verser la farine, le sucre et le sel, puis mélanger. Former un puits, puis ajouter les œufs, le beurre fondu et mélanger. Verser ensuite le lait petit à petit en fouettant vivement pour éviter le grumeau. Ensuite, ajouter l'extrait de vanille, puis mélanger une dernière fois. Laissez reposer la pâte à crêpes 30 minutes. Dans une poêle, faire fondre une noisette de beurre, verser une louche de pâte et repartir uniformément sur le fond de la poêle. Une fois bien dorée, retourner la crêpe. Quand les deux faces sont colorées, déposez la crêpe sur une assiette. Recouvrir de papier aluminium pour conserver sa chaleur et son moelleux. Répétez l'opération jusqu'à l'épuisement de la pâte. Toutes les trois crêpes graisser la poêle avec une noisette de beurre. Servir les crêpes encore chaudes agrémentées de garnitures choisies, sucre, confiture ou chocolat fondu. Pour une pâte de crêpes encore plus légère, je vous propose de remplacer 50 g de farine par la même quantité de fécule de maïs, maïzena. D'ailleurs, pourquoi ne pas tester les crêpes sans sucre C'est tout pour cette recette. Bonne dégustation. Pour la deuxième recette d'aujourd'hui, cap sur le pays de l'oncle Sam pour des délicieux et moelleux pancakes. Cette crêpe épaisse américaine qui fera le bonheur de nos bouts de choux au petit déjeuner ou pour le goûter. Pour des pancakes bien gonflés et moelleux, vous aurez besoin de 250 g de farine, 3 œufs, 40 cl de lait, 50 g de beurre fondu, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à soupe d'extrait de vanille, et une pincée de sel. Dans un premier temps, mélangez tous les ingrédients secs, farine, sucre, levure, sel dans un saladier. Ensuite, fouettez les ingrédients humides, lait, œufs, beurre fondu dans un autre saladier, puis incorporer les ingrédients secs et ne pas trop mélanger. Vous pouvez incorporer deux bananes finement écrasées, des petits morceaux de fruits frais ou secs, ou encore des pépites de chocolat. Laissez la pâte reposer une à deux minutes des petites bulles apparaissent à la surface. Cela permet à la levure d'agir et le résultat, vous aurez des pancakes bien gonflés. Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle. Une fois bien chaude, déposez une louche de pâte pour chaque pancake, en veillant à ce que la pâte ne s'étale pas trop. Faites cuire d'un côté pendant environ une minute et lorsque de petites bulles apparaissent en surface, retournez le pancake et faites-le cuire de l'autre côté. Et voilà, c'est prêt Bonne dégustation, passons à la l'astuce beauté à présent. Merci bébé, De l'espace beauté d'aujourd'hui, nous continuerons avec les produits démaquillants. Le premier produit est la lotion ou mousse démaquillante. Une bonne lotion démaquillante vous démaquille proprement et nettoie profondément votre épiderme sans l'agresser on la retrouve sous forme de lait micellaire ou d'un mélange de lait et d'eau. Il est important de savoir la choisir en préférant un produit qui vous procure une sensation de douceur et qui respecte le pH de votre peau. De cette manière, votre routine de maquillage devient un véritable plaisir et votre épiderme gagne en éclat au quotidien. La mousse nettoyante. Quant à elle, au-delà du démaquillage, élimine les impuretés, les sébums en excès ainsi que la poussière qui se dépose sur votre peau au cours de la journée. Elle fait le bonheur des types de peau qui apprécient plus un nettoyage à l'eau. Ainsi, la lotion et la mousse se complètent et peuvent donc être associées au cours de votre routine de démaquillage pour une action plus efficace. On ne trouve également les démaquillants sous forme de gel et d'huile. La lingette démaquillante. Les démaquillants en lingette ont été conçus pour que vous n'ayez plus d'esquisse pour faire l'impasse sur votre routine de démaquillage. Si vous êtes une femme très occupée, elles vous simplifieront la vie. Vous pouvez les amener partout avec vous et vous en servir à n'importe quel moment de la journée. Elles vous procurent les mêmes bienfaits que les lotions et ne nécessitent pas de rinçage. Cependant, il faut également opter pour des modèles qui n'irriteront pas votre peau. Privilégiez ceux qui sont sans parabènes ou actifs et qui sont contrôlés par des dermatologues. Pour ce qui est des gestes, le massage en douceur est un geste à répéter pour un démaquillage efficace. Pour un démaquillage efficace, la gestuelle est tout aussi importante que le produit. Pour mieux préserver votre peau et aider la solution démaquillante à agir en profondeur, vous devez masser par des gestes circulaires le visage. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt, les amis de la rubrique Rose, pour d'autres délices et astuces. Merci, Mariam. Eh, euh, là, on s'est bien régalé et on aura des visages super propres. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la rubrique Rose. On se retrouve très bientôt pour d'autres bons plans et d'autres délices. Bye bye! Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique Rosa, tout en espérant que vous avez aimé. Découvrons à présent la recette culinaire, le sinari-si, non, le sinassiri, voilà, j'ai eu le nom, est un plat traditionnel du manga, un plat qui est fait à base de riz. Plus de détails sur sa préparation avec Hadiza Lawan au micro de Senabu Abdou. da yakuwa da tuwo burabusko ke yi yanzu sun yadda muke yi wannan na dauko shinkafa na ziga cikin ruwa ya wuni sai da ci hallau shinkafa kaɗan na dafa sai na wanke wancan na fudda shi cikin ruwa wanda na dafa sai na gama su na kai su mashin na yi markade da shi na kawo shi gida da na kawo shi gida sai na tankade alkama kaɗan na gyara na sa cikin shi sai na sa is kaɗan na dama ya kwana is abin da zai tara in ana dama fari ana sa nan to na sa na dama da na dama shi ke na hallau sai ya kwana da sahe na tashi na sa ruwa da kanwa na sa bicarbonate na sa sukari kaɗan sai na dama e shi ne yanzu wannan ana ce mishi sinasin e tuwon bare bari ne kuma bare bari mu can in ana sinasin sai tuwon manya ne san manya ake ma dafuwa kamar su sarakuna kamar haka su ministrori su kamar guberna su kamar dibite haka kamar in ana taro ana zauwa wajen sabka ko wajen taro haka sai a musu shi ake kai ma abinci shi to da wani irin miya ake cin shi miyan kubewa ya ake yin miyan kubewa miyan kubewa abin da ake sai ki soya albasanki in kika soya albasa sai ki wanke hallau naman ki zuba naman ki in kika zuba sai tafarnuwa da yaji sai ki sa kina soya shi kina soya shi sai nama ya ƙare ruwan jikin shi in ya ƙare ruwan jikin shi sai ki sa mishi tumati. kina soya shi kina soya shi tumati ya dahu in ya dahu sai ki sa mishi tonka kadan tattase in kika sa tattase in ya abin nan ya gama jikin shi mai ya fara fuddawa jajjawur sai ki tsaida ruwan miya in kika tsaida ruwan miya ki sai miya sai ya tafasa ruwan in ya tafasa ruwa sai ki daka daudawa sai ki sa in kika sa daudawa da fari dama kin sa gishirin ki in kika sa daudawa yana tafasa yana tafasa yana tafasa in kin ga ya dahu yana tashi kamshi sai wanki. in danye ne ma a yanke a gyare za ki sa cikin shi in kuma bushashe ne abinki a dake a aje sai ki kada mishi in kika kada mishi Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. Et oui, continuons avec une autre recette accueillant Omo Omoru pour la recette du jour euh, avec la sauce saga saga. Bonjour, Alors, Bonjour, mes enfants. donc nous. ifo na kan kan dikse yagum du ko don don fuya <laughs> to madalla kun dai studio kalangu hangan koy hina hina ne kirgote albarka me hando albarkanta wosede kuna insha Allah bi iznillahi ta'ala dai irsu kan daran sai kala chappa ta foi kan signi saga saga saga saga wo dai iganan wada kurba kurba iganan wada mu wasa wasa in ka kulli gi ganin wada saga saga wo dai igihin gante da hamisa igihin gante da ham don ka ay gan charan se insha Allah matki gan da saga saga wa dinga bani mati de chapata foino chapata wo girsi dir ko habora lokaci no gasi ka chapata wo din ko ni gudu chapata ni gudu ni irma sintin da hamu nigi duni ham hannu din du ham hannu danga son misali ay san baran sai danga din ko habu mace ci chapata hannu kan noni mananwa ni mo koyni bo sai ni gunu fay kas kas yanki nim ce ci chapata danga misali bon tachi de bo bon ga beri bon hinza ni ma du ham kilo fo wal kilo fo da rabi inga nima du ji kar misali ne go taransi ni nima du yadi nga chapata nima du ham hannu nima du tomato fresh ni nima du ji nima du pauvre sénégalais ir pauvre ri kani ba yaji da yaji fo goni se walillahi alhamdu amma dinga du nima du dai pauvre sénégalais pauvre yaji bio inga nima du ha inga nima du ni poivron ni tonko teo ni tafarnuwa o kan ni saga saga te dana donc zadin kafuya ma chapata ma nyum kan non kan sabori masam ka kunkunantadin masan pati donc niga chapata nyum kalno kanse abori dinni nyum kalno kanse abori ni makagor gel lokaci okul sambu manti chahan kuma goyno donc chapata bongo sukuto kuma kan funda habu nigandi yakin ni buwaga niga ka kaji kajodi hinno niga pati bunde niga mora kaji mm. kajodi hinno niga pati mm-hmm. donc bundu suktu modin inga woni gayi ni kambara gaba day man tiniga ko suno fa ni woni gayi chapatara bongo suktu woni gayi ni kambaga ya cincini ni mm-hmm. ma ceki zama lima kaga da ke ni chaibu ni mi lokaci wa samman da ha kuma wannan ni gan pati kayna kayna kayna kayna kayna kayna ma zeni gin kan ba dumbu saga saga wo at problem wona dumbu yan wono ga donc ni ga bon wodi ya cin cino ni gan kayna kayna kayna kayna kayna kala ma te pati haja umu da bon te ber ber fo scan li fo na cité cité a cité mat kan diga barada donc il faut que ni ma couper kayna kayna kayna kaina bongo goni se bongo mi amenu ga ni kan baga ni mi pati kayna kayna kayna kayna kayna kala kala ban bon hay way dinga furo bunde me bunde kanga furo manti bundu bundu bana bana aga furo pati yangora asan sara asan furo sara mm-hmm. bot ginga planche utiliser mais wala planche la kan ba amsu dumbu di fanga zar zar ngay ga haw ni zar zar gan haw planche wono zama agin à isir isir me ay gidi bor zar zar woga e patino Mhm. donc ni ma mi ami pati bon hin zari din ni mhm. pati kalno kan sai abori ni mi ye ganyum zam pata gonda labu ni mi mhm. ye ganyum ko mi kalam bodi ni nyum hala bodi ma duni kusize ni ma ka ni ma ka harora ni mi dan pasuwar ni ma dan pasuwar kalno kan sai haro fatta da haro fatta da fatta ba a cindino asin fo wasara wadi kino ga hayawa sambu ni niga pata sambu ni ma dan kusura dinda dan kusura ni ma daga dan jobu ni mora nima sai yaji din gondin yaji hamni kai na fo nima sai zam chappata wo aga farreno mm donc nima sai yaji kai na fo din sai yaji kai na fo ma mora am fufule a peu près 15 minutes yankin aburi mhm. da te 15 minutes chappata gonda hari ba ni man da hari a gonda hari mhm. donc da te 15 minutes yankin wal 10 minutes aburi nima ceci passoir nimin chappata barin nima dabu ingo wani din yandana nima ka nimin foi ko sizo nim kan ka ni mi ye kakan da ka den jobun a sabban da kan din ham hamnu masite ham kaina ham hannu han kilo fo kin misali wal kilo fo darabi mhm. ni maka ni min ji karo kul da aga baji foyno kanga bukata ko jiga donc min mhm. ji karo dan din ji karo dan kar de dan yakin ji mhm. kar in gani min hamo patin din albasal sabanti albasal masiba zamdi albasal bani fo te sikr masidi albasal bobu mace kin tamat fresh hannu albasa zonga tomate fresh yo da hamo go patanti nima sambu ma dangara nimin kuso da im zarga charra im fufula im fufula kan sa abori den mm. tabbatar da kan wallahi amma gaidan jo masu chan foi wodin gante masu chan ase no da mo tonton ya jo bog bog mo ga o ai ka so woni masu chan masu da mo danji bobo masu dan danji bobo din gote foi masu dan danji chap chap dan chap bobo shaf foi adi amani amani mm-hmm. masu mm-hmm. hay ko burga te hine wodin gonte masu can goy kulsi ba ha ni fam dinga banim do goy hanu kuma masu mm-hmm. donc ni ga ama hago ama hago bu ni albasa lo bunta mat fresh gabo ban wadi kin asaba ni nin pauvre dur kan kan sa aburi ay wo pauvre nay goida ga pauvre in dan pauvre in sam musal ya je ngon kan kan me bakudu kan ni goida mhm. ni gin pauvre dur kan kan se aburi ni min tafarnuwa dangara ni mi dan ni po mo ni po woni poivron nima ni tafarnuwa nima dan tonko te kayna fo dingar tonko wa ba mhm. zam deja pauvre agonde tonko di mhm. ga ya dinga nima goy hagoy masna tonko te bobo donc na duru waadikiino nigan sambuni maɗen foyora nima sobayi gan tunandi niga niga haago niga tolle hari kayne ni mhm. niga haago niga tolle hari kayne fo niga haago niga tolli hari kayne fo kala waati kan be kan hamo nima hari amazagazarga amazagazarga mahago misidan foi hari isidan foi hari isidan mhm. foi hari mhm. amazagazarga amazagazarga kalga kalno kasi agoga hago agoga ni kalno kani bai kandi bumbu wallahi ni bonsi ni be kalno mansi nim da ni ciri kai ni fo sabante mhm. dinga aramwa walillahi alhamdu din si aramwa mu ham kilo fo kai wallahi agaro maji zamar yaran place aman to babon maro maji dan bo ku kanga ham bobo dan rawa, ni nim bonto to ngi maro dan foyi ra. zama ham bobo ni dan ra wallahi fo do lam te gu din dun hamahan naga tegu donc nim tolli har kene fo kalim dikan walla ate dangare hausan kene ne dege dege mhm. ate ma ze shif ji façon ni fo te mhm. ji façon wala to ni tolli har kene fo mi manti har bobu din bai kan wallahi tabbatan kan wallahi fo yo anine ni bon boni bai ni bon se kan fo yo ni bahinga mo wada mhm. wada kini sagas ni hayo wada ngogi skapata de kan ni kan go pasoro gisi mm. ni gan sambu deja harisara na sunde ni paso rana gum ni gan sambu da gombo ni ma dan kerra ni ma tunan di kallo kan se aburi deja agonda har har kai fo mhm. borsi fo da za songo ai hangan koi ma isi hardan fo wara mhm. donc ni ga chapata da ngaraga tunan di am si te gata me fo gara foi garde zam deja ni hamo ga bagumo mm -hmm. ni hamo ga bani jiwo ga bakan da misine zanga waji ni gidan arafa da borne borsu dan jibo ya dinga foi wastimar kan ga barada dinne mm -hmm. sudan hambo mu astimar kan ga barada ya dinga ilfo kamate daga daga hanno wadi kin dina chappata dorara aga buri Ni mi dan cirani me hago halno kanse abo ni min kuso dan jozabu ni mora ni gidi aga aga cardi iga furcira kanno kanse abori wadi cinno ni gicheci ni poivron din albasal ni ma pati kaina kaina kaina kaina morso kina ken no digam pati a mhm. par mhm. wadi kine ke ki tongo teo dingo romaji wa ko romaji da tafarnuwa da poivron nigi durmo hal no mi dur hal no kansa abori ni mi gista se rawani de mono ni te niga tonka de kani duru dun tonko te zambar fo si ba tonko foira mhm. de bar ba tonko yana ga kanwa donc tonko te non dur tonko te de kanga ni duru dun ni gana ka ni ma gisi mo abo bene wade cinno ni gin ku tasara ni albasa wadi kani pati morso kaina kaina kaina din ni poivron wadi kani pati pati ni gangu sam foyo bon ya kin kopta bon mhm. ya kin dik sak sakte da ham woni me hamis wani woni gona apar woni mo ham wono ni mhm. gan wada kurba kurba ni gan wada waswasa Thomas de la Haja Omo pour cette recette culinaire. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la culture linguistique. Le mot du jour est sapeur-pompier et ça sera avec Alamine Ouachar. Bonjour, Alamine. Bonjour, oui, aujourd'hui le mot du jour c'est sapeur-pompier donc euh, qui était déjà traduit dans les autres langues. Maintenant je m'en vais euh, traduire ça en tamashek. والله الجماعة مستدرقة نمك وزانة تسلم أن الشيول معنا سابير بومبي سابير بومبي مش شغلنا موصنين الشاقة لنا موصن داود دغا الهدف نداوي أنا تاديت نسن دغا الغلاس نويدا مدي غلا علاسا نارا طنت مدي على علاسا نمدال هروادا التبلان دل مسال تنشين دي تاوي مطلين نهززا مدي غل خاديسا دار تنشيلات نسن نساكتي وندو دي غناس سابير بومبي ويدا موس واس الشغل نتا أديك دل التوزي وستمسي إن المثال مر عند غيرنا سبار بومبي إما شغلنا موصن سنتني أدي تا تادل نسن يل أمة نسن أستوت مال المسالة فلقنا ويقالنا كمان مقال يعني استمال الحديث الشيلاس كان دبا سبار بومبي دوزا وين السمق نينا ويدن دغا أتروب ما كوين دادا غيناس تستوت المسالة ان الحديث نفتق انها مدى برجين دي غا شيلات نسن انتن دي تاوين تاريت نسن هروارا دا غينا سنتاسا اي تيدنا موسنين تاقين تاب دوق تنجوز تنجيس تاب نسن أه، انو غيانات موس نساكتي وندو دي غيناس سلان شيكات كدن شين دا سن قاد دلين اتن تجوتمسي يعني تيمسي تاتا دين اتن ورتصقن امرا أه، نساكتي وندو دا سا دا غشغل وين تاقين مرن الشغل في Merci <laughs> pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek comme tout à l'heure ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Je m'appelle euh, Ousmane Issouf Ousmane. Je suis de la localité des Filingués. Tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes félicitations euh, à Studio Kalangu pour son anniversaire. Et nous profitons aussi pour les remercier de tous les efforts qu'ils sont en train de faire euh, pour euh, passer des informations fiables à l'endroit des jeunes d'une manière particulière et à l'endroit de la population de manière générale. Toutes les émissions qu'on arrive à suivre comme forum, FADA des jeunes, Espace Femmes ou Forum Presse, vraiment c'est des émissions qui nous plaisent et nous souhaitons à ceux qui Studio Kalangu évolue dans ce sens. Euh, ce que nous souhaitons de plus, c'est que Studio Kalangu accorde un peu plus de temps, euh, surtout au niveau des forums, euh, rencontres avec les FADA. Donc c'est vrai que c'est des émissions qu'on fait en Hausa et en Zarma, donc nous voulons assez qu'il y ait vraiment un peu plus, euh, élargir ça au-delà des Français, des Hausa et des Zarma, peut-être inclure d'autres langues euh, qui vont permettre à ceux que celui qui ne comprend ni Hausa ni, Zarma, qu'il puisse aussi, aussi euh, écouter ce que Studio Kalangu fait. Mais d'une manière générale, vraiment, nous, remercions Studio que de ce qu'elle fait, parce qu'elle euh, nous donne des informations, surtout nous en ce qui nous concerne les jeunes, vraiment des informations qui nous vont droit au cœur des informations qui nous paraissent fiables. Donc aussi à travers euh, différentes euh, rubriques qu'elles font ou les articles qu'elles publient sur leur site internet ou bien à travers les applications, surtout les numéros WhatsApp. Donc vraiment là aussi c'est vraiment une belle initiative qu'elles ont eu à faire. Donc nous souhaitons aussi qu'elles continuent dans cette lancée-là pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'informations. na malama hauwa daga nan garin gigime gaskiya da farko dai zan ce shirye-shiryen su yana burge mu sosai kuma zan ce mun karu da abubuwa da dama musamman ma ta fannin kiwon lafiya saboda a da mata yawanci ba sa so zuwa awo amma yanzu da shike wannan shirye-shiryen mata da dama suke zuwa awo kuma a fannin ilimi ma alhamdulillah zuwa ga fannin aure yarinya bata kai aure ba ana mata arme to shi ma a nan wurin gaskiya gaskiya alhamdulillah an karu sosai da sosai eh to abun da nake so da kalangu gaskiya abun da ni ne nake da bukata a wajen su shine su ci gaba da in wannan shirin kasu bare dan gaskiya shirin yana mana dadi sosai gaskiya a da shiru ne a da ba ma jin labarun gegime amma albarkacin su alhamdulillah yanzu muna jin labaran garin mu abubuwa da da ba mu san da shi ba ma a cikin garin mu yanzu alhamdulillah a sanadiyan su muna jin su matsalolin da suke cikin garurukan eh da farko dai ni su sunana alhaji ilyasu ibrahim gahila mai garin binikan to ina kuma bin rediyo gidan rediyon karkaranmu na na kurfai wannan don cikin shi nake samun labarin studio kalangu da yake kullum suna sawa emission kin da duka studio kalangu suka yi don in saurare su eh, ina ji suna magana bisa kai ga dukkan halussan da mahi su da muke da sunan na wannan ma yana birge mu kwarai da yake duk kowane harshe kake da shi kake ji kana kana shi amsa an bada labarai bisa gare shi to kuma babban abin da yake kawatar da ni da yake akwai lokaci kamar na suna lura da lokaci yanayi na lokaci kamar ma'ana ina nufi inda mana ta zo suna ba da labaru bisa ga haraka kwanciyar hankali tsakanin manoma da makiyaya to wanda ya interesse na kenan kwarai saboda yana kira ga manoman da makiyaya yana tunatar da su ga azamna lafiya e to abin da nake fata a gaba kawai ina fatan su Allah ya kara musu nasara su ƙara bunƙasa eh, lokacin da yake wani lokacin lokacin sai abin ya ɗauko sai kaga lokacin ya ƙare eh, sai an ɗauko emission kana na jin daɗin ta ɗan lokacin minti goma ne ko sha sai kaga ya ƙare to ina fatan ya zama to an ɗan kara ma wadda aka ga tana da muhimmanci a lokacin ta shi zama an kara mata ɗan lokaci. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, c'est la fin de Niger sur Kalangou, le dernier de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même, Mariam Ali. On se retrouve le week-end pour l'actu des jeunes Tamachek. Et oui, on se retrouve le week-end, comme elle a dit, pour le programme jeune, notamment l'actu des jeunes où je présente en Hausa et la Fada du samedi qui parle de l'utilisation des réseaux sociaux à Filingue. En attendant, attendez 17h pour le programme du soir euh, suivi du forum à partir de 18h. L'édition était assurée par Iletou Soumana et à la technique qu'on avait Seini Isaka. Bonne journée à vous, bye bye.